Yeah. asalaamaaleykum nuyooti nañ leen gannaaw li nga xam ne tubaarkàlla suba ba léegi ñoo ngi ci muy spécial final ah, tubaarkaala ñu pare nekk ki nga xam ne moo di Cheikh Issa Sall président Andem ah, Cheikh Issa Sall mi nga xam ne moo ànd ak agir avec Macky a ah, ñëw ñu pare ne ko li nga xam ne moo di final ASC yoon bi ak ASC Demba Diop gis nga stade bi nu mu mel nee naa la ki nga xam ne moo di Cheikh Issa Sall jël na bés bi amee waaye ki nga xam ne moo di Cheikh Issa Sall lépp lu waa Mbour xew la rek da ciy def loxoom rawatina li nga xam ne moom la Mbour bëgg kon gars yi daal di yëg ngeen xool ambiance ngeen xool ASC Demba Diop moo gën a neex wala ASC bi moo gën a neex damay daal di ànd ak sama cameraman ñu daal let's go léegi waa mais Mbour de xam nga sama dëkk la euh, tey nag dafa am événement bu spécial sama rakk sama xarit Cheikh Issa Sall ñu pare ne ko cette grande finale mu woo ma personnellement invité ma ci euh, comme nag euh, man moom ñoo bokk département bi c'est vrai que je suis d'origine de Thiadiaye mais Thiadiaye ak Mbour même département bi la loolu moo tax ma ñëw marqué sama solidarité ñëw nekk ci wetam vraiment pour jàppale ko ci daal loolu daal moo waral samay tànk fii. ban man li ma fi fekk daal na Vraiment, tout, a démarré dans le fair play. Euh, c'est une grande fête. Le sport, c'est ça en fait. Il faut les gens. C'est l'une des vertus du sport. Et vraiment, nous C'est la finale de, notre zone. La zone 1A, c'est la zone euh, où se trouve l'ASCTVS. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis le président de l'ASCTVS. Donc je suis de cette zone. Euh, il y a également le fait que euh, le président Ablaï euh, est un frère, est un frère qui œuvre beaucoup pour le développement du sport au niveau de notre quartier et au niveau de notre zone. on, ne pouvait pas le laisser seul. L'année dernière, il a eu des problèmes pour organiser sa finale. étant donné qu'au niveau du mouvement Amdem, nous avions pris l'engagement de soutenir et d'accompagner toute initiative allant dans le sens de l'émergence de notre cité, nous ne pouvions pas rester euh, sourds par rapport à l'interpellation de notre frère Ablaïdiane pour euh, l'accompagner à réaliser cette belle fête, la fête de la zone 1A. Euh, j'en profite de l'occasion pour le féliciter. L'année dernière, c'est lui-même, en tant que président de la zone, qui, après avoir eu des problèmes d'agenda et vraiment de désistement de dernière minute, avait lui-même euh, parrainé sa propre finale. Euh, cette année, on est avec lui et vous l'avez vu, on a assisté à une très belle fête de la jeunesse bourroise, une très belle fête du sport mbourois et ça vraiment, c'est euh, encore une fois nous permettre de, remplir un engagement que nous avions pris devant les bourrois. Je crois que ça, c'est une question qui revient toujours, qui revient toujours. Au niveau de Mbour, on a des problèmes d'infrastructures sportives alors que nous sommes le deuxième centre sportif du Sénégal. Ça, je crois que c'est une remarque que tout le monde a faite et que nous, euh, au niveau du mouvement, nous portons avec tous les Mbourois le plaidoyer pour que l'État puisse nous aider à, régler ce problème. Euh, mais il faut savoir que nous, par rapport à notre position actuelle, nous ne sommes pas en mesure actuellement de régler ce problème nous ne faisons pas dans, dans, euh, le dilatoire ou bien dans, euh, dans la politique politicienne. Nous ne faisons pas d'engagement que nous sommes sûrs de ne pas pouvoir honorer. ce que nous pouvons pour le moment, c'est de porter ce plaidoyer avec tous les Mbourois, avec toute la jeunesse mbouroise, pour que l'État du Sénégal puisse euh, vraiment réfectionner ce bisou du sport sénégalais et réfectionner ce stade et permettre à Hambourg, qui se trouve être le deuxième centre sportif avec trois équipes en Ligue première, euh, vraiment de pouvoir avoir euh, des stades dignes de ce nom. Euh, c'est une fête de la jeunesse mbouroise, c'est une fête du football mbourois. Et je suis vraiment, je profite de l'occasion pour, remercier le président Abdoulaye Gueye et tous les membres du comité directeur du Stade de qui reçoit demain et qui m'ont choisi vraiment comme parrain de cette fête de la jeunesse mbouroise, cette fête du football mbourois. Cela montre encore une fois que la jeunesse mbouroise est, reconnaissante par rapport à tous les efforts que le mouvement Amdam euh, vraiment euh, effectue pour mettre les jeunes à l'aise, pour mettre les sportifs à l'aise, pour leur permettre de, faire des, de, réaliser des performances. Donc demain, c'est une fête de la jeunesse mbouroise, c'est une fête du football mbourois, Vraiment, nous, nous, souhaitons que cette fête se passe dans le fair play, dans la paix, dans la concorde, parce qu'après tout, nous sommes tous des mourois et tout ce qui vaille, c'est l'émergence de monde.